mbokk yi dalee nag jàmm ci biir RTV Dakar ñu leen di jaajëfal nag ci topp bi ngeen ñu topp boo leen gisee nag plateau bi nga xam ne def nañ ko moom mooy tey fas yéene waxtaane li nga xam ne xew na démb di élimination gaynde yu Sénégal fële nga xam ni moom mooy coupe du monde bu Qatar 2022 gaynde yu Sénégal doon football seen match huitième de finale doon ko football nag équipe bi nga xam ni moom mooy équipe bu Angleterre ñu daal di nag perte défaite boo xam ne nag métti na nga xam ne ñoom ñooy sénégalais ndax ñu ci bari ci ñoom ñu woon ni Sénégal dina gaaw a génn ci compétition bile naam gisoon nañ ko nag mu daal di sori ci coupe du monde bi wante démb dañoo taseek ñoo xam ni ñooñu gën a fort daal di ñuy gagné ci li nga xam ni moom mooy match boobu la nga xam doon nañ ko disputé démb ci ngoon loolu la nag tey dinañ ko waxtaanee ci biir plateau bi ki ma ci àndal nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy Khadim Diakhaté xam ni euh, moom mooy ci RTV Dakar dañu koy bàyyi mu daal di nuyu ñu daal di jàll ci waxtaan bi Xaadim ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatim di nuyu aussi ñi nga xam ne si ñoom ñuy suivre ci euh, chaîne bi di RTV Dakar di nuyu aussi suñu caméraman bi Omar. Mm-hmm. maa ngi lay eh, dalal eh, ci biir eh, plateau bi sëñ Xaadim tey nag yow laa nara sekk li nga xam ni moom mooy waxtaan bi la jëmale ko ci élimination ñi nga xam ne ñoom ñooy gaynde Sénégal fële ca coupe du monde Qatar 2022 li nga xam ni nag Mame Xaadim moom laa lay njëkk a laaj moom mooy yow naka nga gisee démb prestation ñi nga xam ne ñoom ñooy gaynde Aliou Cissé yi ci match bi nga xam ne doon nañ ko jonganteek waa Angleterre. merci beaucoup sur euh, cette question déjà il faut nous reconnaître que c'est une défaite mm. très dure à digérer quand on parle de prestations, je pense que euh, on peut avoir deux grilles d'analyse va mm. euh, première grille d'analyse c'est sur la la côté sur le côté excusez-moi défensif la la, principale force de l'équipe nationale du Sénégal nous avons dañu tendance que c'était la défense. Mhm. on a vu notamment euh, lors de la dernière carte, euh, on ne prenait pas assez de buts euh, rarement ni de de but et puis on avait on avait une une attaque pas très très très très excellente mais quand même une attaque qui qui qui était répond toujours présent quoi une qui répond toujours présent. mais sur cette dans cette compétition Denis l'équipe nationale du Sénégal force beaucoup, cette cette cette force défensive d'Afco notamment on, l'a euh, constaté euh, sur le premier match avec euh, Pays-Bas pour rouler le premier but qu'on a a pris mhm. c'était évitable à mhm. mon avis vu la à xamante il y avait un papier qui devait sortir sur Frenkie de Jong mhm. il l'a pas fait mm, c'est en fait ce sont ces erreurs là qui qui ce sont ces erreurs-là qui se répercuter après sur le résultat mm. final. on euh, aussi hier euh, contre. l'Angleterre contre c'était aussi la même chose Erreur défensive de Sidi, euh, on n'avait pas l'habitude de le voir avec l'équipe nationale du Sénégal. Mm donc de façon laconique euh, le premier loolu première grille d'analyse euh, la perte euh, de de de de cette sérénité défensive qu'on avait auparavant. Mm-hmm. te amatuñ parce que dans un daan am Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly qui qui qui qui rassurait vraiment. avec mm-hmm. derrière Edouard Mendebo boo il répondait toujours présent. c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas dans dans une très bonne forme mais. ça aussi ce ce sont les aléas de la vie. Mm-hmm. loolu sport euh, prix beneen d'analyse c'est au niveau de l'attaque peut-être l'absence de Sadio Mane nous a porté euh, préjudice je sais pas mais en tout cas on peut dire que en tout cas sur sur on peut dire que un garçon comme Ismail Sad peut-être qu'il n'a pas les épaules pour porter cette équipe en tout cas euh, c'est l'avis que j'ai moi mm. malgré le fait qu'il a qu'il a fait de son mieux peut-être le ça on le reconnaît on a aussi vu des garçons très intéressants comme Iliman comme Bamba la et euh, l'attaquant Boulaye Dia euh, peut-être si on avait Sadio Mané mm. peut-être dinañ dina dinañ euh, peut-être dépasser le cap du mm. huitième ça bokk na ci ponk yi nga xamante si moom la ñuy waxtaane donc ma mm. ci sori dafa lay bàyyi nga di beneen laaj Euh, euh, yaa ngi koy brosser léegi est-ce que euh, suñu amone ki nga xamné mom moy Sadio Mané est-ce que duñu passer cap des huitièmes de finale xam nga ni ki nga xamné mom moy Sadio Mané di attaquant sénégalais bile dafa daal di forcer dafa daal forfait à quelques semaines de la de la coupe du monde lool nak nek ben coup dur ci groupe bu Sénégal parce que porter né len préjudice trop du sama question bi nga xamné mom la la bëgg poser Khadim mom moy est-ce que avec ak Sadio Mané bu Sadio Mané ñëwoon and ak li nga xam ne moom groupe bi est-ce que doon nañ espérer dem plus loin que fi ñu yam ni bon c'est vrai qu'après cette annonce euh, tout le peuple sénégalais retenait son souffle. Mm. ça moom il faut il faut nous reconnaître quoi parce que derrière il y avait il y avait ben benn benn benn peur boo xamante ni euh, sénégalais yi am nañ ko. buñ mm-hmm. euh, information boobu noonu on savait que c'était fatal, on n'avait pas le choix, il faut, il faut nous dem, dem jouer euh, sans, sans Sadio Mane. C'est vrai que Sadio, sur le plan euh, technique, mm-hmm. euh, c'est notre leadership. Mm-hmm. c'est le, jour le, numéro un, actuellement il est le, deuxième meilleur joueur du monde. Mm-hmm. Sadio, son absence, bu fi ou wala bu bu le cap des bon je pense que même bu peut-être ne me a dépasser le cap des huitièmes parce que euh, Sadio c'est c'est en fait. Mm-hmm. ce facteur X bi nga xamante équipe à tout moment il peut faire la différence. c'est loin de moi l'idée de le comparer par exemple comme Lionel Messi. tu mm-hmm. va une équipe argentine de mm-hmm. xamante par exemple souvent. ils ont des difficultés pour trouver euh, la solution devant, mais ils ont, ils ont un, joueur. technique. Voilà, sur, le plan technique, il peut à tout moment régler la situation. Sadio Mané en fait partie de ces joueurs. peut-être mhm. que ñu ko qui peut-être euh, dina dina changer. on ne sait mhm. pas. mais quand même sur le plan sur le plan individuel et sur le plan technique je pense que l'équipe euh, de l'Angleterre était vraiment vraiment dessous. supérieure et était vraiment supérieure à notre équipe. Mhm. parce que si tu fais par exemple une petite comparaison sur tous les compartiments peut-être tu peux comparer peut-être euh, Edouard Mendy à Pickford. Ça, je peux, je, l'accepter. Euh, au niveau de la défense, tu as par exemple comme Maguire. Euh, c'est vrai qu'avec euh, Manchester, avec Manchester, Maguire, il n'est pas, pas un top défenseur. Mais mm. quand même, il faut reconnaître que, faut reconnaître lui, Maguire, avec, l'équipe nationale anglaise, il fait des, il fait de bons matchs. Il faut, mm. il faut reconnaître mm. aussi. Bon, loin de moi l'idée de le comparer avec Koulibaly. Moi, je prends Koulibaly tous les jours. Mais à part ça, bon, par exemple les latéraux, il n'y a pas photo. Euh, tu vois, on voit que Mohamed il est titulaire à Manchester City, on ne peut pas le comparer avec Sabali. Mhm. Pareil avec euh, Luke Shaw Mohamed Designé aussi c'est un patron euh, de la défense de Manchester mhm. United. Tu ne peux pas le comparer avec un garçon comme Jacobs. Ismail Jacobs Mohamed il a du mal à s'imposer mhm. au niveau de, de Monaco. Le milieu, n'en parlons pas. Jordan Henderson, euh, comment il s'appelle encore, ou euh, Jude Bellingham ou un Declan Rice, tu ne peux pas les comparer avec des, des joueurs euh, euh ils, ont, ils ont la trempe. Ils ont, ils ont même du mal. Mhm. Ils ont même du mal à être titulaire de club aussi. Mhm. C'est l'exemple que je donnais avec Patessis, par mhm. exemple, qui joue, qui n'est plus titulaire avec Radio Vallecano, une équipe qui joue en, en, seconde, en milieu de tableau avec un championnat d'Espagne. Euh, par exemple Nampalys Paris de xamante ni il a du mal à s'imposer au niveau de de de Leicester City. à l'attaque mm. n'en parlons pas ne pas comparer par exemple un Harry avec euh, Boulaye les les aussi euh, l'attaque anglaise. tu as par exemple Phil Foden et un Saka, tu peux pas les comparer avec les Iliman mm-hmm. La vérité des et ils comme à pour encore, des euh, Ismaël Assar. Mm. Donc, euh, je pense que sur le, plan, sur le plan technique, déjà, il n'y avait pas faute. Ils étaient supérieurs. Euh, ils, ils, étaient vraiment supérieurs et je pense qu'ils ont mérité vraiment leur victoire. Mm. Ils, ils, étaient supérieurs, ils ont mérité leur victoire. Mais, nak, euh, Khadim, li nga xamné tamit bëgg na ñu ñëw ci ndax li nga xamné mom moy émission bu duguddu ben analyse bu ndaw rek lañuy def mom moy est-ce que jotul nak jamono ji Sénégal di confronter wu jëm di confronter wu ak li nga xamné ñom lañuy wowe grand euh, grande nation de football un peu euh, de ils sont si niveau euh, grande nation de football ou pas Alors peut-être dinañu éviter démb déception parce que euh, qu'on se dise la vérité euh, peut-être euh, ñi nga xam yag nañ suivre football xamone nañ ni équipe bu Angleterre bi ils étaient supérieurs mais ñu bari. gëmoon nañ ni Sénégal mëna gagner gagné ci score bu mak équipe bi di équipe bu Angleterre té lolu liko waral nak mom moy peut-être équipe yi nga xam ñom lañu faral di taseel nekkuñu équipe yo xam ne nañ ci niveau bi nga xam Angleterre Tolu, na fa wala yenn nation de football effectivement mm. soxna Rama man je partage cet cet avis. Mm-hmm nos instances footballistiques doivent s'inspirer sur le modèle européen, mhm. vraiment. Par exemple, si tu prends euh, l'UEFA, il faut mettre en place euh, une compétition qu'on appelle la Ligue des Nations. Je pense que ça fait deux ou la troisième année que cette mhm. compétition existe. Dans cette compétition, tu as, des, les, européens. Quand je parle de ténors, c'est par exemple l'Italie l'Angleterre, euh, les Pays-Bas, l'Espagne, la, France, la Belgique, pour ne citer que ces mhm. pays européens. Il y am par exemple euh, trois ou quatre pour euh, quatre pour les xamante si hmm. selon le niveau le niveau en fait des des, des équipes nationales euh, et à chaque une fois que la, compétition est terminée y a des relégables y a aussi ñoo xamante qui nii monter dans une, position si je peux l'appeler ainsi hmm. une position pour xamante c'est un peu favorable à hmm. la situation auparavant euh, l'analyse de moi ci am tu vois par exemple des équipes de ramadé dañuy entre eux donc dañuy am dañuy am physionomie euh, euh, à chaque fois dañuy avec des des mm, mm. ce qui n'est pas le cas avec les lions africaines par exemple tu as par exemple un Sénégal qui à l'approche d'une Coupe du Monde qui va se taper des Bolivie, qui va se taper des Argentins. Mm La vérité, les niveaux ne sont pas les mêmes. Mhm. Tu ne peux, pas, peux pas escompter une victoire, par exemple, face à l'Angleterre ou au Brésil, alors que tu n'as pas. Euh, mots par exemple, des, des, des matchs amicaux, équipe équipe yu am niveau bobu nga ci des équipes yo xamante ne voilà ils peuvent ils peuvent répondre présent euh, sur sur le plan hmm. technique. lolu nak euh, doguma la Khadim mais liggéeyu fédération sénégalaise de football la ndax peut-être ñom ñoo mëna def lolu le joueurs yi li ñu mën rek mom moy peut-être ñu wo len équipe nationale euh, ñu ñëw jouer coach bi aussi peut-être mënul yegg fofu lolu fédération bi mom moko mëne def. pas seulement la fédération parce que quand on parle de fédération sénégalaise de football on se limite seulement sur. Euh, sur, le Sénégal, quoi, sur l'équipe nationale du Sénégal. Et quand on parle du football, africain. africain, je pense qu'il y a aussi cette, cette, instance qui est la, la, la CAF. Moi aussi, il doit, prendre des décisions. Mhm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas s'inspirer du modèle européen, mm -hmm. une sorte de, de nation dans, dans, une, dans, dans, dans, une compétition où, par exemple, tu peux avoir les, ténors africains comme le Sénégal, comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le mhm. Cameroun, Bolin Amé, Ben ñuy compétir seen biir peut-être dinañ am dinañ dinañ am yenn comptabilité euh, compatibilité yi pour euh, pour pour aller espérer avoir une victoire par exemple face euh, face à des équipes comme le Brésil comme l'Angleterre mhm. face à des équipes comme le Brésil ak Angleterre bi nga xamné demb démb moom moo ñu éliminé ñu daldi nak nag ci lén lo xamné sénégalais yu bari mi ngi nekk seen bopp moom mooy avenir ki nga xamné mom moy mooy Cissé si kanamu équipe nationale ñu bëri ñi ngi wax ni il est temps pour moi euh, de rendre le tablier bàyyi keneen continuer li nga xam ne moom mooy liggéey bi yow loolu ci bon écoutez euh, d'abord il faut savoir que le peuple sénégalais est un peuple très émotif. il faut mhm. ñu xam loolu quoi euh, à chaque fois on oublie fin du jóge mhm. il faut il faut faire une rétrospection en fait en 2015 bi muy débarqué à l'UCC en 2015 bi muy débarqué nous, nous, nous, nous il, y avait, un y, avait, une 2013, je pense. On était éliminé euh, au premier tour. Euh, je pense que c'était euh, c'était juste après, après l'événement de Bata. Mhm. l'événement de Bata, on, se rappelle, mhm. les, les, les, trois deux on l'a. Mhm. avec, avec, avec une défaite à l'entrée avec, avec la Zambie. Après, derrière, c'était la Guinée équatoriale, en plus la Libye donc nous jugee aussi def def en 2013 je pense que venu sur le pool mhm. je pense qu'on avait battu le Ghana si je ne dis pas de bêtises. 2017 je pense que c'était un quart de finale euh, comment il s'appelle encore 2019 nous atteindre la. la finale Et 2022, il a, il, a, ramené la coupe. En comparaison avec ses prédécesseurs, mhm. on, se rend compte qu'il a euh, déjà il a réussi une prouesse monumentale, c'est-à-dire il, nous a donné cette, cette, étoile tant qu'on voit des étoiles pour des pendant pendant des années donc je pense que sur le sur le sur le plan

disqualifié maanaam ñu daal leen éliminé ci li nga xam ni euh, moom mooy euh, compétition bi voilà loolu moom moo nekkoon tey analyse bi ñu leen indiwuloon ma àndoon ci ak Xaadim Jaxate ma leen di jox naka dig daje euh, beneen yoon ci biir RTV Dakar